L'éducation de la jeune fille est une question sur laquelle l'UNESCO travaille énormément. Il y a une semaine, nous avions ici à Dakar même, avec la Fondation L'Oréal, remis des prix à 20 femmes scientifiques africaines qui étaient réunies ici à Dakar, qui font des recherches dans des domaines qui euh, touchent à la vie des populations africaines. Parmi les jeunes filles que les jeunes filles que j'ai vues aujourd'hui marcher avec nous, je vois les chercheuses de demain, je vois les politiciennes de demain. Monsieur le ministre, nous sommes à vos côtés pour tout faire pour que la jeune fille, en même temps que le jeune garçon, puisse euh, aller à l'école et terminer son cursus pour contribuer au développement du pays. Un mot particulier pour les filles qui se sont présentées massivement nous avons eu des milliers d'élèves ici présents, des centaines d'établissements représentés. Et je voudrais vraiment remercier en particulier tous les organisateurs, mais en particulier le collègue de le collectif des chefs d'établissement de Pékin, tous les partenaires de Pékin qui se sont mobilisés pour la réussite de cette journée. Je voudrais, Monsieur le ministre, que nous soyons beaucoup plus nombreux, peut-être même innombrables, mais peut-être que les délais nous ont rattrapés et nous avons fait avec ce que nous avons pu. Vraiment, nous vous remercions et comme on le dit en Wolof, nous sommes Merci d'être là et merci d'avoir participé. Nous sommes Pékin Guédiaway, l'inspection d'académie, nous accueillir ici. waaye def naa ne ministre bi gis na ko équipe bi ak cabinet bi yëpp gis nañu réussite bi nga xamante bi manifestation bi am na mais surtout euh, mobilisation bi nga xamante ne mucc naa yi ñu bëgg ko wax rek ne ko Pikine nañu pour lépp de la manifestation, bi ministère bi mu koy def

merci beaucoup. féliciter l'inspecteur d'académie les IEF l'ensemble en tout cas des élèves qu'ils soient garçons ou filles qui sont mobilisés et tous les directeurs au niveau central comme au niveau des concentrés qui ont réussi à faire cette belle organisation. Mais l'objet de ces rencontres, je crois qu'on l'a dit depuis ce matin, nous préparons le 12 décembre, Inch'Allah, une grande journée. Mais en prélude, nous avons organisé cette randonnée qui concerne l'éducation des filles, mais également qui concerne l'enseignant. Comme vous le savez, l'enseignant joue un rôle essentiel, qu'elle soit enseignante, hommes ou femmes, nous voulons les accompagner parce que nous disons que si nous voulons atteindre l'élève, nous devons penser constamment à l'enseignant. Cette grande journée qui se prépare, nous la préparons, le ministère la prépare. Je voudrais d'ores et déjà les féliciter. Féliciter également notre certain qui s'occupe de l'éducation de ses filles, mais surtout s'il y a eu cette belle journée, c'est parce que nous savons qu'il y a une particularité. Les filles, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, votre jeune fille, nous sommes fiers de vous. Vous avez de bons résultats. Le comportement est bon, bien éduqué, présentable, à l'écoute, participative. Donc ces filles, vous faites notre fierté, vous les filles. Mais encore il faut continuer à les accompagner, comme l'a dit notre partenaire UNESCO. Les violences, les violences physiques existent, les violences verbales existent, les violences qu'on ne dit pas également existent, les violences qui font que la jeune fille est des fois obligée très vite d'arrêter. Je rencontré des organisations comme FAVE. je vais rencontrer la SCOFI bientôt, mais ils disait que les filles Malheureusement, ils ont de très bons résultats dès le début, dès qu'ils commencent la scolarité. Les meilleurs résultats jusqu'au BFM pratiquement, mais dès qu'on s'approche du secondaire, seconde, première, terminale, on voit que les résultats donc baissent, chutent. Qu'est-ce qu'il explique Des mariages précoces, des abandons, des violences qu'on ne dit pas, le manque d'hygiène dans nos établissements. Donc il faut être vigilant, il faut interpréter les non-dits, il faut que nous, en tant qu'enseignants, et au niveau également central, en au niveau de pilotage stratégique, qu'on pense toujours genre, genre, genre, dans nos offres pédagogiques et également dans l'accompagnement des jeunes filles. Je voudrais vraiment vous remercier dire encore une fois, Monsieur le maire, vous nous avez reçus aujourd'hui, mais nous serons également toujours dans cette zone, parce que nous ne serons pas loin depuis que nous serons à Guéjoaï pour des dons de sang au lycée Limaolaï. Et nous allons aussi continuer ces mobilisations avec des panélistes de haut niveau qui vont continuer à nourrir la réflexion, certainement le DRH en foulant, certains gens également jusqu'au 12. C'est une préparation. Tout le monde est mobilisé pour la journée de l'enseignant. Remercier le syndicat, celui qui a parlé au nom des syndicats, parce que c'est leur journée également le 12. Les invités, le G7, tous les autres syndicats, même les syndicats qui ne font pas partie du G7, tous les acteurs de l'éducation, parents d'élèves, acteurs, associations, nous tous, nous vous appelons le 12 pour cette grande journée qui met en valeur nos enseignants, ceux qui forment les médecins, ceux qui forment des ingénieurs, ceux qui forment des juristes, ceux qui forment des politiques, ceux qui forment également des présidents de la République, l'école sénégalaise est notre fierté, cette école de la République, c'est celle-là que nous voulons installer au Sénégal. Je vous remercie.